am na ci ñoo xamante ni Marième Faye Sall moo leen jox xaalis bu weex taw. waxal waay. gis nga li may wax ni lu leer ni mi dinaa leen di wax ñi ko wër am na ci ñoo xamante ni sëñ bi yëgul tënul dañ ko jox dañ leen jox xaalis bu weex tàll est-ce que xam ngeen lan moo tax sëñ Mountakha génnul jaar gi ay nit ñu dee li dee ci mars ci ci ci ci juin bii nii sëñ Mountakha Mbacké nga xamante ni soxlaatul dara ci àdduna lu mu am lu mu soxla am na ko il faut que utiliser ce c'est très important Quand bi président Ousmane Sonko ñëwee bi Amna Faye téléphone pour bu leen di wax ci téléphone Dans le téléphone bi bof ko ci suufu yëreem dans di sukk maanaam ci Mon frère, wax Faye Sall il faut vous comprendre.

jeunes yi nga xam ne ñoo nekk di xeex ñëw nañ am jeunes jeunes yu jàpp am na jeunes yu ci des yéen jeunes yooyu ci des ma wax leen ne leen wallahi lazim yàlla yéen la àndal na ngeen taxaw fi ngeen taxaw bu leen ragal bu leen daw bu leen day ku ci dee àjjana nga jëm yéen jeunes yooyu yéen waxal ku ci dee àjjana nga jëm wallahi lazim te yéen Sénégal yi nga xam ne génnoo leen

boo bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon danaa bokk ci saa yu xare mu nga xam ne yàlla nattu na la tey li nga doon wax du dëgg xam ne wax nga ne bu ma fekkee woon njaayum jom ne danaa am lu ma ci taxaw na nga xam ne yàlla nattu na nga wane ginnaaw kon li nga doon wax dawdu ci dëgg asalaamaaleykum. jaajëf. merci on va donner rapidement la, parole aux femmes de Pasteur qui viennent depuis Évreux, Philomène et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour les blessés et les prisonniers. Merci à vous, John, alors, euh, nous avons fusionné avec les amis de Toulouse, c'est ça Les patriotes de Toulouse. Voilà. Donc, euh, je suis une éternelle euh, optimiste et je pense que tout l'univers va conspirer à ce que notre demande de le président Sanko puisse être libre et qu'il soit élu charismatique tué, Pour ton pays, toute ton énergie tu donnes. Président Indomptable lion de la Teranga es Libéré Ta conviction inébranlable en l'humanité tu respires. Soko, président En ton intégrité inaliénable, nous croyons. Libéré, Sanko Ton authenticité, ton éthique, un leader charismatique, tu incarnes Sanko, président Ton impétuosité, ta force, la jeunesse inspire Libéré, Sanko Pour ton peuple, pour la démocratie déterminée, tu es Sanko, président Élu, choisi, reconnu, incontestablement, tu restes Libéré, Sanko Merci beaucoup. Merci à nos sœurs patriotes qui sont venues depuis Évreux. Merci à la petite patriote, la jeunesse sénégalaise. Merci beaucoup. Nous allons appeler Limodia. Limodia Lady Limodia. Libérez son corps. Libérez son corps. Libérez son corps. Libérez son corps. Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall